forum district the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam Monsieur bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou au micro Nafis Adamou Sirfo. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM à 100 MHz, Kwarategi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook à Studio Kalangu, notre site internet à www.studiokalangu.org. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Période de grande chaleur, maladies propice et conseils, c'est la thématique du forum de ce soir. Avec nous pour débattre de la question, Dr Asita Idrissa, il est médecin généraliste au Centre de santé nationale des œuvres universitaires. Bonsoir, docteur. Vous suivrez en interview euh, Monsieur Ousmane Bawa, il est météorologiste. Dans un premier temps, nous allons déterminer la période exacte de la chaleur, mais aussi dire quand est-ce qu'il fait vraiment chaud. Ensuite, nous verrons toutes les maladies propices en période de chaleur, les conséquences sur la santé ainsi que le traitement, les personnes à risque, enfin les recommandations à suivre en période de chaleur pour éviter toute maladie. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Merci de rester à l'écoute. Docteur Sita, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter cet entretien avec Ousmane Bawa. Il est météorologiste. Il nous parle de la chaleur, sa période et le temps actuel qu'il fait, qu'il fait au Niger. Quand on parle de chaleur, c'est-à-dire que nous avons une intense insolation. Euh, le plus souvent euh, au Niger, on commence à avoir le pic de température euh, maximale euh, à partir du mois de juillet-mars. Et ça va se prendre jusqu'au mois d'avril. Et le mois de mai, c'est un mois où il fait chaud, mais quand même avec un peu de précipitations comme ça à Comme ce qui s'est passé hier, les températures peuvent baisser. Mais sinon, en termes de température, nous, en tant que météo, les températures les plus élevées de la journée, euh, enregistrera entre midi et 15 heures. Donc, c'est sur cette euh, fourchette, entre midi et 15 heures, que nous avons les températures les plus élevées de la journée. Donc quand on parle de température, il y a beaucoup euh, de paramètres aussi qui influencent cette température. Par exemple, euh, quand il y a une intense insolation, il peut y avoir aussi d'autres phénomènes qui peuvent influencer cette chaleur. Par exemple, quand il y a un peu de précipitation, comme moi ce que nous observons ce matin, il y a une baisse de température. Peut-on dire qu'on est en période de chaleur actuellement oui, il faut que la différence entre le temps et la présence. Pour le temps qu'il fait aujourd'hui présentement, euh, sur euh, la partie ouest du Niger, c'est-à-dire vous prenez de, ceux qui la dérive Yamé, Jim, euh, Tawa. Vraiment, c'est un temps nuageux qui est observé et avec une baisse de température. Donc ce matin, il ne fait pas chaud. Mais ce que j'ai dit, la chaleur en tant que telle, la, température, l'élévation de température en tant que telle, elle est observée entre midi et 15 heures. C'est-à-dire qu'à midi, entre midi et 15 heures, nous avons le pic de température. Mais le plus souvent dans la matinée, parce que euh, ça suit aussi euh, l'évolution du, soleil. Plus euh, le soleil au pic à, midi, entre midi et 15 heures, plus la température est élevée. dans la matinée, présentement, ce que nous observons, c'est juste une baisse de température parce que il y a eu quelques orages localisés qui ont rafraîchi un peu l'endroit. Donc, ce matin, il fait quand même un, peu, un peu plus froid par mm. rapport à la semaine passée ou bien par rapport aux jours Mais sinon, sur le Sahel, jusqu'à présent, c'est l'armateur qui est en train de prévaloir, c'est ce pas C'est un vent sec, il fait très chaud, mais ça arrive des circonstances où euh, des phénomènes ou des perturbations atmosphériques comme ceux que nous avons observés hier sur les régions de Niamey, de Sceaux et tawa, là où il y a une remontée du point intertropical, il y a eu quelques pluies. Mais sinon, jusqu'au mois d'avril, c'est mai, c'est vraiment jusqu'à la saison des pluies prochaine, c'est vraiment euh, l'armateur 1,27 qui est en train de prévaloir avec des températures très élevées. On parle souvent de seuil d'alerte. À quel stade on, parle de ce seuil d'alerte ça, ça, dépend d'une à une autre, mais de façon globale, si on prend le, le pic, pic de température, c'est-à-dire la température euh, maximale la plus élevée jamais arrêtée sur euh, une région, parce qu'on ne peut pas généraliser sur le Niger. Le Niger, c'est un pays qui est vaste, euh, les caractéristiques climatiques diffèrent d'une partie à une autre. Donc, si vous prenez par exemple le type même de température, euh, c'est à Burma que nous avons 49.3. Depuis que nous avons commencé l'enregistrement, il a donné à 48 degrés Celsius. Ça, c'est le, type qui n'a jamais été dépassé. Mais maintenant, en termes d'alerte, nous, chez nous, lorsque nous avons une température entre 40 et 45 degrés Celsius, déjà, euh, nous considérons que l'alerte peut être donnée. Mais si encore il y a d'autres phénomènes météorologiques qui vont encore. Euh, euh, influencer cette température, là, on peut parler d'un seuil. Et sinon, à partir de 45 degrés, parce que le plus souvent, nous, chez nous, les températures sont au-delà de 40 degrés Celsius. 40, 42, 43 degrés Celsius. Donc, à partir de 45 degrés Celsius, nous, chez nous, c'est un seuil. Vraiment, ce n'est pas un seuil d'alerte parce que sur le terrain, les températures sont toujours au-dessus de 40, 45 degrés. Avec vos prévisions, est-ce qu'on peut dire que Niamey va enregistrer et très prochainement, euh, va atteindre ce seuil d'alerte cette année en termes de température de chaleur euh, pour le moment, de mars, euh, déjà inscrit à ta fin, donc pour euh, la semaine prochaine. en ça, nous allons prévoir à partir des prochaines 48, 72 heures et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, une baisse de température. Parce à partir de demain, 15 heures, nous prévoyons déjà une dense suspension de poussière sur les régions de Piladéry, Niamey, euh, Dessau, et également un peu sur la mer. Il y a une descente, une adversion, une descente vers, vers qui va venir du, du nord de l'Afrique, qui va toucher le Mali et qui va toucher les régions du fleuve. Donc quand il y a cette, cette tension de frontière, le plus souvent ça a un impact de refroidissement. Donc pour euh, les prochaines 48 huit heures jusqu'à la semaine prochaine, on pense que les températures seront en légère baisse sur euh, euh, sur la région de Et qu'en est-il du mois d'avril Le mois, on, le sait, c'est un mois euh, de, forte chaleur ici au Niger. Euh, d'après nos, nos, prévisions, cette fois-ci, ce n'est pas des prévisions météorologiques, mais ce sont des prévisions climatiques. D'accord Sur le mois d'avril et les trois prochains mois, sur le mois d'avril et le mois de mai, le plus souvent, pour moi, c'est des températures qui seront normales à excédentaires, c'est-à-dire sur la région de Niamey, nous avons toujours l'habitude d'avoir 44-45 degrés Celsius sur le mois d'avril. Cette année, nous prévoyons la même tendance, mais avec une légère hausse quand même qui peut aller au-delà de 40-45 degrés Celsius. Mm. Mais si c'est la prochaine, ça va tourner toujours entre 40 et 45 mm. degrés Celsius. Et mm. sinon, je pense qu'il fait très chaud en année. C'est vraiment très chaud si ce n'est pas le phénomène qui a fait en sorte qu'il euh, y a eu un refroidissement suite à euh, avec, euh, avec hier dans l'après-midi. mais sinon, vraiment, les températures tournent autour de 40, 41, 42, 43 degrés. C'est vraiment très chaud. Maintenant, vraiment, c'est des dispositions qu'il faut prendre pour ne pas s'exposer, parce que ça a aussi des conséquences. Docteur Sita, comme vous venez de l'entendre et comme l'a si bien expliqué le météorologiste Ousmane Bawa, nous sommes présentement en période de chaleur et nous observons souvent de temps à autre une élévation de la température comme il a si bien euh, expliqué. Et cette élévation de température euh, engendre des problèmes de santé chez bon nombre de, de sujets. Euh, vous êtes médecin, alors, quelles sont, quelles sont les parties du corps humain qui sont euh, le plus, euh, le plus exposées à la chaleur et quels peuvent être euh, les risques sur l'organisme d'une personne exposée Merci. les parties qui sont les plus exposées du corps humain, c'est la peau. Donc, c'est elle qui est exposée directement au rayonnement du soleil, y compris les ultraviolets qui sont en tout cas dangereux pour l'organisme. C'est quoi les ultraviolets c'est des rayons euh, solaires qui peuvent euh, endommager la peau quand on est beaucoup exposé et qui peuvent engendrer des, des, des pathologies qui sont euh, souvent difficiles à traiter ou même pas du tout faciles à, prendre en charge. Mmh. Quels peuvent être les risques d'être exposé à la chaleur sur Donc les risques d'être exposé à la chaleur, euh, vous avez, dans un premier temps, donc des lésions cutanées qui peuvent se produire. Vous avez aussi une modification du, métabolisme qui va euh, dans le sens d'une hypersidation par dermolyse périphérique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sueur, une sueur profuse, qui est due tout simplement à une défense de l'organisme. L'organisme essaye de, de baisser la température corporelle et de maintenir la température du corps humain à 37 degrés, vaille que vaille. il se produit une mobilisation des ressources en eau de l'organisme, donc une modification du métabolisme, qui fait qu'il y a une vasodilatation. Une vasodilatation, c'est-à-dire Il y a une vasodilatation des artères et artérioles périphériques. Donc, euh, pour amener de l'eau à la surface de la peau et essayer de refroidir la surface corporelle et une vasoconstriction interne. Donc, euh, vasoconstriction interne des organes, donc interne de l'organisme. Cette euh, réaction de l'organisme face à la chaleur ambiante euh, permet à l'organisme de maintenir l'équilibre de 37 degrés Celsius pour assurer le bon fonctionnement des organes nobles et assurer la, la survie. maintenant, il peut arriver que certains individus qui ont ont déjà des pathologies euh, ou des maladies chroniques hein, ou qui sont dans une situation d'affection aiguë euh, que la température ambiante influence aussi la mhm. température corporelle due à l'affaiblissement de l'organisme, qu'il y ait un déséquilibre dans le métabolisme de l'organisme. C'est ce que vous constatez surtout chez des personnes qui sont déjà atteintes des, maladies comme le diabète l'hypertension artérielle, les infections aiguës hein, qui provoquent une élévation de la température corporelle, parce que quand la température corporelle s'élève, hein, même dans les cas de palu, et que la température ambiante aussi elle est, très élevée autour de 42-40, donc ça peut euh, entraîner beaucoup de, de dommages au niveau de l'organisme. Oui, effectivement, outre ces personnes atteintes, ces malades atteints euh, de maladies chroniques, mm. euh, quelles sont les personnes également les plus fragiles, euh, fragiles en pareille période de, chaleur Donc, en pareille période de, chaleur, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit, soit, malade, on, est, on, court toujours des risques. Parce que je vous ai dit que l'organisme perd beaucoup d'eau. Donc si cette eau n'est pas compensée, ça peut entraîner un collapsus cardiovasculaire, c'est-à-dire l'organisme se vide de son eau et le sang devient très concentré, visqueux, qui peut entraîner encore d'autres lésions artérielles, telles que les ischémies, c'est-à-dire les accidents artériels internes, telles hein, tels que aussi des infarctus, tout ça là, ça peut, ça peut entraîner. Et même chez des personnes euh, qui sont en bonne santé et qui brusquement se trouvent à être déshydratées, ça peut avoir aussi c'est ce qu'on appelle collapsus cardiovasculaire. Mhm. Comme vous venez de le dire plus haut, euh, les des maladies comme les maladies cardiovasculaires et autres, les maladies en tant que telles, quelles sont les maladies les plus fréquentes que la chaleur déclenche chez, une personne à cette période de chaleur Bon, c'est elle déclenche ou bien elle favorise, ou bien on, a, d'après des études euh, épidémiologiques, on a constaté qu'il y a des pathologies qui sont plus fréquentes euh, en cette période de, chaleur, telle que euh, vous avez vu la période, c'est la période aujourd'hui de la maladie que tout le monde connaît un peu, la méningite qui sévit dans nos, dans nos zones. Tout le monde pratiquement connaît, bon, ou bien a entendu parler déjà de la méningite. Mm. C'est la période mais elle euh, ne sévit pas actuellement au non, elle ne sévit. C'est pas qu'elle ne sévit pas. Un seuil mais on n'a pas atteint aussi les seuils d'alerte parce que eh, il y a quelques cas peut-être qui sont enregistrés, mais c'est n'est pas alarmant. C'est pas alarmant. Euh, mais il se peut que tu y a des périodes où ça profite de cette période là pour euh, comme période de chaleur. Voilà, comme cette période de chaleur. Vous avez euh, ces pathologies donc infectieuses là, donc qui sont qui sont entre autres, comme je l'ai dit, eh, la méningite, euh, vous avez la rougeole, vous avez eh, des atteintes aussi dermatologiques, vous avez des pathologies aussi respiratoires hautes qui sont fréquentes pendant cette période-là. Vous avez eh, des rhumes, des rhumes banales. Vous avez mm-hmm. aussi des infections à bactéries. Mm-hmm. Hein. Vous avez aussi c'est la période où euh, on constate aussi un pic des atteintes euh, au BK, hein, au bacille de coque, la tuberculose, etc., etc. Donc, parce que les conditions de, chaleur et, du milieu font que euh, les, bactéries peuvent très facilement proliférer sur un milieu banal. Mm. C'est-à-dire vous déposez un peu de, nourriture, un peu de, morceaux de viande, c'est des milieux de culture où dès que les germes sont déposés là-dessus, les conditions sont créées pour que ça se propage. Et dès qu'on touche à ça, ça rentre dans l'organisme, ça peut euh, provoquer des affections souvent difficiles. Mhm. Vous avez aussi fréquemment des, affections euh, de type digestif, type de, de, de diarrhée et de vomissements. Voilà, des troubles digestifs. C'est dû euh, à certains aliments consommés qui ne devraient pas être consommés en cette période de chaleur C'est dû tout simplement peut-être c'est à des, certainement à, euh, des, à une mauvaise hygiène alimentaire. Si, euh, les, aliments que nous consommons qui sont exposés, à, la chaleur, à la chaleur. au milieu, je, que, je disais tantôt que ça devient un milieu de culture. Mm-hmm. Donc, dès que vous consommez ces, aliments, vous, vous, vous, consommez directement ces agents pathogènes mm-hmm. et qui, et une fois dans l'organisme, aussi trouvent les conditions pour, pour déclencher des, des, maladies du type mhm. digestif. Toutes ces maladies que vous venez de, citer, euh, comment on peut les identifier afin de mieux les, les traiter C'est-à-dire leurs signes annonciateurs, est-ce de la fatigue, euh, l'évanouissement, tout ça Comment on peut les identifier euh, pendant cette chaleur, pendant cette chaleur, eh, c'est des pathologies, en tout cas, eh, eh, chacun en fonction de des signes cliniques les praticiens, donc, euh, une fois qu'on parte en consultation, euh, avec les signes cliniques euh, que vous décrivez, on peut arriver très rapidement à les, à les et avec les examens paramédicaux maintenant, à les, à les diagnostiquer correctement et à les prendre en charge. Vous avez les signes les plus fréquents pour les pathologies du type digestif, ce sont les diarrhées, les douleurs abdominales, les constipations, mm-hmm. les vomissements. Donc c'est des signes euh, les plus fréquents. Vous avez aussi pour les, autres infections, vous avez la, la fièvre, hein. vous avez les, la toux, vous avez les éternuements, vous avez aussi souvent euh, des vertiges, des céphalées, mm. c'est-à-dire des maux de tête. Euh, et puis l'asthénie, la fatigue, oui voilà, l'asthénie, la, fatigue, la fatigue. Chez les enfants, vous avez aussi la déshydratation souvent, la peau qui se plie, les yeux qui deviennent enfoncés. Hein. Donc tout ça sont des signes d'appel. Mm-hmm. Il faut très rapidement aller consulter, voir un, un, agent de, de, de, la santé pour se faire prendre en charge. On, le constate également chez certaines personnes âgées, euh, le saignement du nez pendant cette période de chaleur. C'est fréquent chez les personnes âgées et même les jeunes. Qu'est-ce qui Bon, il y a des personnes qui sont, qui sont déjà prédisposées à avoir donc euh, l'épistaxis. C'est ça. Le saignement mmh, de, voilà. Donc, euh, qui sont déjà prédisposées. Bon, il y a d'autres pathologies, il y a d'autres euh, trucs qui rentrent dedans, tels que des composants génétiques, des, déficits en plaquettes tout ça là qui peuvent entrer en jeu mmh. pour expliquer un certain nombre de situations. Mais ce qui est sûr, c'est lié à, ce que je vous dis, Mm-hmm. la, modification métabolique de l'organisme avec euh, des modifications de, du circuit cardiovasculaire, les vasodilatations, hein, la vasoconstruction des artères. C'est ça qui fait que souvent il y a, euh, il y a ces phénomènes d'hémorragie, mm-hmm. d'ischémie, c'est-à-dire des ruptures des artères qui font apparaître euh, ces épistaxis au niveau donc des, de, narines, des voies du, respiratoire supérieur. Docteur, pendant cette euh, période de chaleur toujours, euh, est-ce que euh, toute activité physique ou sportive est permise puisque le sait, la personne transpire abondamment pendant l'activité physique Donc comme vous, avez, vous venez de le suivre tout de suite, il est conseillé pendant donc cette période de pic vraiment de se mettre à l'abri. À l'abri pourquoi Parce que c'est une période, c'est la la période, donc, comme il l'a expliqué, de midi à, 15 heures, euh, où vous avez des, pics, des pics thermiques très élevés. Donc, vous avez forcément euh, une très grande, euh, grande élévation de la température et une grande perte, une quantité, une perte importante de quantité d'eau que nous avons dans l'organisme. Et c'est la perte massive de cette quantité est liée à des efforts physiques peuvent entraîner ce qu'on appelle un choc cardiovasculaire par, hypovolémie, c'est-à-dire la baisse du volume de quantité d'eau dans l'organisme. Mm. Donc c'est pourquoi pendant cette période-là, euh, il faut euh, non seulement boire beaucoup d'eau, mais réduire l'activité jusqu'à ce que la, les températures deviennent un peu plus supportables, un peu, un peu, euh, à peu près supportables. C'est des périodes pendant lesquelles il faut vraiment se réserver. Donc, euh, à, quelle heure de la journée il est conseillé de pratiquer Au cas où on est sportif, euh, on est habitué du sport, à quelle heure de la journée il est conseillé de faire le sport en cette période de chaleur L'après-midi, à partir de 17h, 18h, pratiquement jusqu'à 20h, 21h, on peut le faire. Et on a aussi la possibilité toujours d'avoir euh, de l'eau à côté de soi pour mm. se rafraîchir. Et vous avez constaté que pendant cette euh, période aussi, beaucoup de patients qui ont des pathologies cardiovasculaires et des pathologies chroniques et endocriniennes euh, sont euh, frappés par des, des, AVC. AVC, Des mhm. accidents vasculaires cérébrales, accidents vasculaires cérébrales et des ischémies. Vous avez souvent une partie de, de la face ou une partie de tout le corps qui, qui ne répond plus, hein, qui lâche. Et vous avez aussi souvent eh, des décès par, euh, par choc cardiovasculaire, mm. par euh, des infarctus pendant cette période-là. Tous mm. ceux qui ont des, ces pathologies-là qui fragilisent donc euh, le système cardiovasculaire mm. sont sujets à des, à des accidents très graves, voire souvent mortels pendant cette période-là. D'où il faut vraiment eh, mener des activités modérées, surtout des activités physiques modérées et surtout faire euh, très très attention par rapport à la consommation d'eau qui est indispensable pendant cette période-là. De l'eau euh, tiède, pas trop fraîche, pas trop euh, aussi, de l'eau tiède qui, apporte bien, qui fait du, bien à l'organisme, qui fait du bien à l'organisme. Donc c'est ça qu'il il faut conseiller aux et donc, que dire des travailleurs qui restent toute la journée de travail sous la climatisation dans leur bureau et qui retrouvent cette chaleur dès la fin du travail une fois à la maison Que dire de ces travailleurs Bon, l'organisme s'adapte à toutes les à ces conditions-là. Euh, déjà l'après-midi, il fait plus ou moins moins chaud que pendant la journée. ça permet aussi euh, à l'organisme euh, d'éviter peut-être euh, d'éviter l'exposition pendant les, pics de, de, chaleur et de, et de, le protéger. De, le protéger. Hmm. Et souvent, en cas de coup de chaleur, aussitôt arrivé, arrivé à la maison, on se précipite sous la douche pour un bain. Est-ce bien pour la santé Est-ce bon pour la santé Bon, on peut attendre un peu, juste euh, un peu, un peu pour, pour après se mettre sous la douche et puis toujours dégager le corps parce que le fait que nous perdons beaucoup de sueur, ça veut mhm. dire que aussi nous dégageons beaucoup de, radicaux, c'est-à-dire des, substances qui sortent du métabolisme, donc qui sortent de notre, corps, qui viennent envahir donc la surface corporelle. Se prendre un bain fera du bien pour essayer de nettoyer cette peau-là et mhm. permettre aussi aux, pores qui font donc qui évacuent cette euh, sueur-là d'être toujours libre et de pouvoir fonctionner correctement. Oui, docteur, est-ce qu'il y a une heure euh, recommandée de sortir en journée. Comme l'a expliqué le météorologiste, euh, les pics de chaleur, c'est entre midi et 15 heures. Donc, euh, c'est en cette période qu'il est conseillé de ne pas sortir ou bien de s'exposer au soleil. il est conseillé pendant cette période-là de ne pas trop s'exposer au soleil, surtout le jour où vous avez eh, un rayonnement direct sans poussière de nuage qui atténue un peu le soleil. Mm. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que là, il y a plus de, euh, rayons ultraviolets qui arrivent. Et, ces rayons ultraviolets, comme je l'ai dit en début d'émission, euh, sont capables d'endommager la peau et d'entraîner les cancers même de la peau, en plus des, des autres pathologies. Donc euh, pendant cette période-là, il faut vraiment éviter autant que possible de s'exposer à ces, à ces là Surtout, vous savez, nous sommes dans une dans, une région où eh, il y a une catégorie de population aussi qui s'adonne à la dépigmentation, à l'utilisation de certaines des, substances mhm. qui sont aussi qui ne sont pas aussi bonnes pour le pour, pour le pour le corps, pour la peau, donc euh, qui fragilise la peau et qui peut favoriser eh, l'action de ces éclats viraux là sur la peau. Nous allons marquer une petite pause, euh, le temps de poursuivre ce forum. Suivant ce forum, docteur, euh, est-ce qu'il y a euh, des habitudes vestimentaires, des vêtements conseillés à porter en période de chaleur Bon, euh, il n'y a pas de conseils spécifiques par rapport aux habitudes, mais il faut se couvrir convenablement. Il faut se couvrir le, le, corps et si possible aussi se couvrir le, visage. On ne pas mettre des choses, mais Couvrir le visage, ça veut dire qu'on peut porter une casquette qui, qui, vous protège, une casquette avec des trucs qui vous protègent, qui protègent votre visage. Vous avez, euh, dans nos traditions, les, les, cultivateurs, ils ont leur, euh, leur casquette faite avec... Euh, la paille. Oui, fait avec la paille, avec des trucs d'ornement. C'est pas pour rien mm-hmm. que par adaptation naturelle, eh, nos villageois ont adapté ça dans leur comportement et dans leur habitude vestimentaire. Vous avez aussi les gens qui portent le turban. Ce n'est pas un fait de hasard, c'est des faits euh, traditionnels, mais qui ont euh, un rapport avec euh, le quotidien des générations et des générations, et qui est devenu comme ça une pratique banale mais qui a une importance scientifique. D'aucuns disent qu'il faut éviter de porter du noir puisque ça attire la chaleur. Oui, j'allais en venir là. Hmm. Euh, euh, la couleur noire concentre la chaleur, c'est vrai. Elle absorbe beaucoup de chaleur et ça a été démontré scientifiquement. C'est pourquoi il est, est, conseillé que pendant cette période de, de, chaleur, et quand on est, si on est exposé aussi au, à ces rayonnements-là, il faut vraiment éviter de porter du noir parce que ça, ça potentialise euh, euh, la concentration donc de cette chaleur là mm. au niveau donc euh, de l'organisme. Toujours en cette période de chaleur, docteur, euh, c'est un constat où je dirais même une habitude de presque tout le monde, c'est la consommation abusive de l'eau fraîche et des boissons glacées. Est-ce dangereux pour la santé Non, l'apport de l'eau, c'est toujours important pour l'organisme pendant cette période-là. Mm-hmm. Bon, maintenant, ça dépend de la forme sous laquelle on consomme ça. Il est conseillé scientifiquement de ne pas trop abuser de l'eau fraîche. Eh, parce que l'organisme euh, a besoin, et ce qui est bon, c'est de prendre ni trop glacé ni. Oui, comme vous venez de l'expliquer. je viens de l'expliquer. quoi. Et quelle est la quantité euh, qu'il faudrait boire en longueur de journée quantité En moyenne, il est conseillé de, consommer 2,5 litres par jour. Donc euh, réparti en plusieurs prises. Quoi. Voilà. Donc c'est ce qui est bon pour l'organisme, a besoin de ça y compris pour les enfants et les adultes euh, Bon, ça dépend, c'est pour les adultes, c'est hmm. normalement qu'on constate euh. Et qu'en est-il donc de ces boissons que je, viens de dire, les boissons que les, gens consomment hmm, hmm. Les boissons, c'est un apport hydrique, peut-être euh, plus des hydrates de carbone dedans, c'est-à-dire le, sucre qui est dedans, qui, peut aussi renforcer un peu l'organisme et des, et, peut-être de, de, la vitamine C qui est contenue dans ces, dans ces, dans ces trucs. C'est un apport hydrique hein, le plus important et c'est bon pour l'organisme. Les boissons naturelles, les boissons qu'on trouve sur le marché Les boissons naturelles sont mieux, en tout cas, euh, sont, sont meilleures pour l'organisme que tout ce qui est artificiel. Voilà, donc, euh, parce que euh, ça peut comporter beaucoup de facteurs aussi qui peuvent entraîner d'autres maladies. Mais le, naturel, c'est ça qui est recommandé, c'est ça qui est bon pour l'organisme. Euh, vous êtes médecin, euh, docteur. nous sommes actuellement à cette période de, de chaleur. Est-ce que quelle est la situation actuelle Est-ce que vous recevez des patients qui souffrent des maladies dues à cette chaleur Quelle est la situation actuelle Est-ce qu'elle est alarmante ou pas euh, non, elle n'est pas, pas du tout alarmante, d'autant plus que vous avez constaté. Mais on a, on a quand même quelques, quelques cas euh, de patients qui, au, tout début, euh, n'ont pas pu prendre beaucoup de précautions pour se mettre vite à l'abri pour comprendre que les habitudes qu'ils ont et les activités qu'ils ont l'habitude de faire, ils doivent en tout cas ils doivent, les, doivent diminuer ça pendant cette période-là. Mm. Donc, euh, à, au tout début. Donc, c'est que nous avons reçu des gens qui ont fait des, des pics euh, euh, tensionnels. Hein, ils ont eu des trucs brusquement, une élévation de leur tension. Et puis, des gens qui ont eu des malaises, des, beaucoup bon, par après. En tout cas, les quelques cas que nous avons reçus, tout est rentré dans l'ordre après les, les explications et le bon comportement hygiéno-diététique. Et quels sont les, le plus souvent les conseils que vous donnez euh, à ces patients en cette période de chaleur Il faut d'abord éviter l'exposition et consommer donc euh, beaucoup d'eau et puis diminuer l'exposition donc à, la chaleur et puis se mettre, se mettre au repos surtout pendant cette période, pendant les périodes de pic. Aussi observer correctement la prise des médicaments pendant donc euh, cette période-là et respecter un certain nombre d'hygiènes alimentaires pour ne pas compliquer déjà. Euh, Justement, pour parler de cette euh, hygiène alimentaire, est-ce qu'il y a des aliments propices, euh, des aliments qui, sont recommandés de, prendre pendant cette période de, chaleur Bon, c'est des aliments liquides. Sinon, il n'y a pas de. je ne connais pas de, de, de prescription particulièrement, sauf des, gens qui sont atteints de, pathologies euh, dont il faut déjà une indication par rapport à l'hygiène alimentaire, ce qui doivent euh, strictement euh, respecter ça, tels que ceux qui ont une hyperlipidémie, etc., etc., des pathologies cardiovasculaires qui doivent éviter de consommer la graisse animale, hmm. hein, des gens qui ont le diabète qui doivent faire attention la consommation du sucre direct, etc. etc. Donc c'est par rapport à tout ça qu'il faut ceux qui sont déjà sous, sous traitement et qui, sont déjà, qui ont déjà des conseils qui doivent être stricts et respecter ça pendant cette période-là. Donc, docteur, euh, un autre aspect, c'est celui de nos mamans. Quotidiennement, on le voit euh, en cette période de chaleur euh, pour leurs enfants, leurs tout petits enfants, leurs bébés fixe la ventilation sur les enfants ou bien dans d'autres cas mouille des pagnes, des mouchoirs pour un peu humidifier le corps de, l'enfant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question Est-ce qu'une bonne habitude ou pas Bon, pour les, les enfants, il faut d'abord distinguer des enfants, donc de, les, les, bébés de 0 à, de 0 à 6 mois et au-delà. Pour les les nourrissons de 0 donc à 6 mois, ce qui est recommandé, c'est l'allaitement exclusif pendant cette période-là. Il faut allaiter exclusivement l'enfant au lait maternel. C'est ce qui est important et c'est ce qui est recommandé et c'est ce qui est bon pour le pour l'enfant et sur tous les plans. Aucun lait artificiel ne peut remplacer le lait de la maman. Déjà si si les mamans comprennent ça, c'est déjà très important. Ensuite, comme on l'a dit, il faut aussi un enfant, il est fragile. Il faut aussi veiller sur ses, sur ses, euh, sur, ses, habits, sur son hygiène corporelle. Mm. Il faut le nettoyer pendant cette période-là. Il faut le garder toujours propre. Il faut s'assurer qu'il s'est bien alimenté et il a pris euh, pour les enfants de, au-delà de six mois, qu'il a pris son verre d'eau mm. correctement voilà euh, la quantité qu'il faut. Surtout les enfants, il faut veiller aussi à ce que pendant donc, la période de, de, pic, eh, il faut les mettre à l'abri, obliger à ce qu'ils soient à l'abri jusqu'à la tombée du jusqu'à la tombée jusqu'au soir pour les pour les laisser sortir normalement il faut il faut les surveiller mm. et il faut aussi assurer euh, de leur de leur euh, alimentation et aussi de l'apport en eau mm. de, l'organisme et surveiller aussi l'état de santé. Dès qu'il y a des signes, il faut rapidement aller euh, consulter. Maintenant, pour euh, les couvertures, en cas de fièvre, parce que généralement, ça se fait en cas de forte fièvre, les gens ils mouillent pour mettre. En cas de forte fièvre, c'est d'abord d'aller, d'amener l'enfant auprès des agents de santé pour qu'ils le voient et qu'ils essayent de lui donner les médicaments qu'il faut. Euh, la baisse de la température corporelle par, euh, par le bain ou par le fait de, de, mouiller les mouchoir pour, pour poser ça, c'est avant d'aller là-bas, quand on constate. Que, mais ce qui est indiqué, c'est d'aller directement se faire consulter. Mm. Souvent, il y en a qui ont le, euh, des pathologies respiratoires telles que les rhumes, hein, les angines, etc. surtout les pathologies respiratoires il faut éviter d'exposer pendant cette période-là l'enfant à la ventilation. Mm. Surtout les, les, nés hein, les nourrissons, ce n'est pas, ce pas conseillé de laisser l'enfant sous une forte ventilation. Mm. Cela, ajouté aux infections respiratoires, peut même euh, euh, entraîner chez cet enfant-là l'installation euh, d'une pathologie donc respiratoire chronique mm-hmm. telle que l'asthme. Donc il faut éviter la ventilation, c'est bon, mais pas une forte ventilation sur l'enfant qui a déjà euh, une pathologie euh, respiratoire. Ça peut entraîner, comme je l'ai dit, tantôt, l'installation d'une maladie chronique telle que l'asthme hein, ou les, bronchites chroniques, etc., etc. chez l'enfant. comment prévenir toutes ces maladies que vous venez de citer, toutes, euh, presque toutes ces maladies Comment on peut les prévenir euh, La prévention, euh, la toute première, c'est l'hygiène, c'est l'hygiène alimentaire et l'hygiène aussi du comportement. Le comportement et, ce que nous consommons, on doit, on, doit les surveiller et aussi on doit aussi euh, faire, faire de, autant que possible faire des bilans, faire des bilans, bilans de santé, hein, en moyenne des bilans de santé qui peuvent prévenir de la survenue d'autres maladies et qu'on peut prendre en charge avant que cette maladie ne s'aggrave ou avant qu'elle ne s'installe pour euh, devenir chronique. Hmm. Voilà par rapport aux années précédentes, euh, on peut dire que cette année, pour le moment, la chaleur n'est pas tellement accablante. Il n'y a pas assez de cas, euh, comment dirais-je, alarmants de patients qui souffrent de, malades, de maladies liées à la chaleur. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de maladies. Il y en a qui souffrent actuellement. Mm. Ça, c'est la période, cette période-là, partout où vous allez dans les hôpitaux, c'est la période de pic. Il y en a qui souffrent de ça, effectivement. Il y en a qui, qui ont des complications. y en a, il y en a malheureusement qui, peut-être, ont été même emportés par cette vagues de chaleur là. Mm-hmm. Il y en a, y, a ça euh, tout le temps. Mais mm-hmm. chaque année, vous avez des vagues. Et vous avez vu, il y a eu des années où euh, il y a eu vraiment des choses euh, qui ont été insupportables. Mm-hmm. Mais c'est notre climat, il faut vivre avec. Il faut vivre avec en s'adaptant. Et s'adapter, c'est suivre les conseils des techniciens du domaine, la météo, les médecins, hein, ceux qui s'occupent de l'environnement, de l'hygiène. C'est ça qui est, qui est, important. Et donc, pour finir, docteur, euh, euh, globalement, pour toute euh, la population, quels sont les bons réflexes que toute personne doit avoir en cette période de chaleur Pour finir. Pour finir, en cette période de chaleur, surtout, il faut avoir une bonne hygiène corporelle propre éviter, éviter de s'exposer trop pendant donc euh, à partir de, de, midi donc euh, à 15 h voire 16 h éviter l'exposition au, soleil. Mhm. Donc, euh, diminuer un peu les activités, si c'est des activités que vous faites pendant cette période-là, c'est mettre un peu à l'abri pour mhm. pouvoir continuer après et puis essayer autant que faire se peut de consommer la moyenne donc euh, de 2,5 litres d'eau, de l'eau pas trop fraîche par jour. Les, personnes atteintes de maladies liées à, la chaleur, quel comportement ils doivent euh, adopter pendant cette période. Donc, observer strictement la prise en charge, la prise des médicaments, l'observance de la, du, traitement, et puis euh, éviter et aussi éviter aussi l'exposition euh, au soleil. Mm, et les vieilles personnes Les vieilles personnes, on doit s'occuper d'elles. Il faut s'occuper d'elles, il faut s'assurer que vraiment euh, elles ont, elles ont tout ce qu'il faut pour éviter les, les accidents qui peuvent survenir pendant cette période-là. Merci à vous. Donc, euh, chers auditeurs et auditrices, il faut pendant cette période de chaleur, il faut une bonne hygiène corporel propre, éviter l'exposition au soleil, éviter la consommation abusive des, boissons et de l'eau fraîche. C'est entre autres conseils de notre médecin, docteur Sita. Donc c'est sur ces bons conseils que prend fin le forum de ce soir. Nous étions avec Dr Sita Idrissa, il est médecin généraliste, à la technique Hassan Abdoulaye, à la présentation de fils Adam Sirfo. Rendez-vous demain à la même heure pour le forum de la presse. Au revoir.